le budget national de la santé par rapport au budget global de l'État a beaucoup progressé. En valeur absolue, parce que j'ai dit tout à l'heure que nous sommes passés de 125 milliards, nous avoisinons maintenant les 200 milliards, mais en valeur relative aussi. En valeur relative, parce que l'objectif de 15%, c'est l'objectif des chefs de l'État à Abuja. Nous sommes en train de nous diriger vers ça. Et nous sommes à peu près à 10 11% non compte des autres facteurs de santé qui sont dans les autres ministères. Notamment, j'ai parlé de la CMU tout à l'heure. Les mesures d'ailleurs sont en train d'être prises à ce niveau. Mais honorable, vous pouvez nous faire confiance. Dès que nous recevrons les rapports, toutes les mesures qui doivent être prises sans complaisance le seront. Ça, vous pouvez effectivement nous faire, nous faire confiance de ce point de vue. Mais aussi, il faut accepter que de manière spontanée décider sans avoir des éléments qui fondent notre décision Nous euh, waxtam que des préoccupations nañ Medina Wandifa dans le département de Bunkiling et de Malem Odar l'honorable député notre ami Nicolas aussi a évoqué les états les états généraux de la santé dans le cadre de la concertation nationale sur les urgences mais nous réfléchir aussi sur la stratégie nationale de financement de la santé Nous avons waxtaan mais nous avons ne que nous peut-être nous surtout sur les sur l'accueil et sur les urgences donc nous avons noté l'observation de notre ami euh, Nicolas avons euh, noté aussi Tataguine lu ñu même bu nous dañu analyser en termes de district mais nous avons noté donc euh, cette préoccupation là nous si xalaat xool vraiment naka trouver ces solutions là parce que nous, loolu nous avons vu moo ñu fi avons mooy nos préoccupations. i préoccupation bu au bureau nous avons ñu noté Nous avons une analyse une matrice des actions problème les nekk qui xam ne dégg nañ ko fi des institutions spécifiques et je suis personnellement à la mise en œuvre bon que honorable député Issa Sall dégg nañ li nga wax la cohérence et ce qu'il faut faire pour régler le problème des populations de Tataguine IRM c'est vrai que Amna Benen, beneen si sont jot est-ce que dañ koy des Dakar est-ce que dañ est Dalal est-ce que koy l'analyse est en cours mais il y a qu'un année, dans l'intérieur du pays notamment au centre d'imagerie de Kaulak, nous avons renforcé par IRM aussi dans la fabach. Mais noter que centre Kaolack centre bu bees la inauguré guñ ko sax muy centre imagerie médicale bu mucc ayib dafa guñu inauguration lolou itam il est important aussi que ñu wax ko sénégalais parce que des fois li ñu inauguré rek la ñuy gis comme au niveau de Diamniadio aussi amna benn centre mère enfant famille bo xamantene dans les jours qui viennent danañ ko inauguré euh, à Tamba le député de Tamba n'est pas là mais il y a bien un chirurgien à Tamba moo tax d'ailleurs très souvent, il y a des SMS qu'on vous envoie pour vous donner des informations à ces occasions-là. Mais je demande à ce que nous vérifiez mais à Tamba, il y a bel et bien, bel et bien un chirurgien. C'est votre jeune frère. Voilà. Honorable dit que c'est son jeune frère qui est là-bas. Donc, il y a bien un, un chirurgien à Tamba. Nous, euh, Rafael effectivement, plaidoyer ou Prédawaye Bakel Il na a PUMA ak PUDC de pare à Bakel on est en train nous aussi dans le BCI de jàppale Bakel mais le plaidoyer effectivement est un plaidoyer important à à noter. sur la transplantation rénale on a sànq de ñu def centre de dialyse Il y a vraiment un centre partout au Sénégal ñu am ko mais du loo à maintenir c'est une solution durable transplantation durable durable. Le président de la République, son excellence, le président Macky Sall, vous a fait voter la loi, envoyé une loi bien votée. Le décret est pris. Actuellement, le comité national du don et de la transplantation installé dans dans le tribunal, nous avons wat. Parce qu'effectivement, c'est un comité, qui nous été installé, nous avons prêté serment au tribunal. Nous avons fait ligue pour euh, élaborer référentiel, nous pour transplantation. Bon, borom xam xam légui ñom ñoyor dossier bi semaine dernière d'ailleurs la avons jógee Turquie dans le cadre de ce qu'on appelle un benchmarking pour xool Turquie naka la ñu liggéeyee Bonne, bon actuellement ay professeurs éminents ñu ngi le dossier le référentiel sera bientôt effectivement élaboré ñu avons un hôpital hôpitaux agréé ci c'est i conditions ñu mën a vers cette transplantation Nous ngi ñaan yàlla ñu yegg fa jàmm ba ñu nous am transplantation fii ce suñum ci suñum euh, aussi Notez effectivement un élément, l'honorable député Ousmane Sonko l'a fait noter, mais euh, à ce niveau-là, je vais peut-être simplement lui demander de, vérifier ces chiffres hein, en, termes de, référence, parce que la norme est de une sage-femme pour 300 femmes en âge de reproduction et un infirmier pour 3000 habitants. Ce sont ça les indicateurs en termes de normes mais en comparaison aussi du budget par rapport de la santé, par rapport à un objectif. Moi, j'aurais bien aimé effectivement que la comparaison soit le budget de la santé par rapport au budget national. Mais aller tout de suite dire le budget de la santé par rapport au PIB, bon, c'est bien beau, mais la politique de santé du pays qui intègre la santé privée, qui intègre la santé communautaire, qui intègre les autres éléments de santé que nous avons dans les autres sectoriels, qui intègre beaucoup d' activités yi xam ne dafa dem dans la santé boo agrégé loolu yëpp bu la neexee nga comparé ko au bi